manaranga koi irigene manaranga koi. tusala fada manaranga koi. tusala fada manaranga koi. manaranga koi, tusala fada no irwo ergoga koi. fa bucha cha cha cha cha bucha cha cha cha cha bucha cha cha cha cha Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, Moussa Lafada consacrée au quotidien de la jeunesse nigérienne. Alors, comme à chaque semaine, nous nous retrouvons entre nous pour discuter et échanger sur une thématique euh, liée à la jeunesse. président des jeunes Aliou Matarango Mat Graham Mat Souro ednil ce soro bobo émission parce que émission go jeune on jeune mo ro furta jenno bindir gel erga to sanga ira misali ga woyye cin dugu kanan di zongo bo yan ga labu sanino labu sanino soro zongo irgin ce irgin ga mo deux fois soro zongo ga sanno sko ne de ne entre jeune la tema fadara fadara sanino fadara sanino ba nyamba sino et puis président Président La thématique du jour est d'actualité car nous allons parler du port du casque et de la ceinture de sécurité au niveau de la jeunesse. Une année est passée depuis que nos autorités municipales ont fait du port du casque et de la ceinture de sécurité une obligation pour les automobilistes et les motocyclistes sur toute l'étendue de la capitale. Nous avions donc une euh, précédente émission effleuré déjà la thématique euh, avec euh, l'utilité du port du casque et de la ceinture de sécurité avec euh, ma coéquipière euh, RMK à notre niveau, nous nous interrogeons en FADA comment cette mesure est-elle perçue par les jeunes L'ont-ils accepté Est-ce que cette mesure a contribué à changer la conduite de la circulation routière a-t-elle encore de beaux jours devant elle Nous discuterons donc de tout ça avec vous, chers auditeurs, mais aussi avec les invités qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui à la FADA. Ils vont se présenter dans un instant. D'ailleurs, ils ne sont plus à présenter. Ça y est, chers amis auditeurs, le thème du jour est lancé le port du casque et de la ceinture de sécurité. Un an après sa mise en application, quel bilan Président, positif. Nassir Bodo. Oui, le bilan est positif, mais en tout cas, ça, le travail reste. n'est Negba, beaucoup roubo. <laughs> Major. Mitigé. Akandengwana Gomnei. Eh oui, ma. Nous avons donc 35 minutes à passer ensemble, 35 minutes de discussions positives, ponctuées de la musique, d'interventions avec les auditeurs. Et bien sûr, on aura donc le gourou des informations, Olivier, en fin d'émission pour sa minute People et Jeunes, c'est-à-dire sa chronique. Nous sommes actuellement à la place Monteil, en face du commissariat central, parce que ça, il y a accident, il y a il a kan police policier odi de police police une émission au bon de chat yani gairumu mana irme mission wote imma imadi Bade isinga sala igoguru guner gogi gune comme Sierra Central. Nos invités de plusieurs catégories, socio-professionnelles, la relation avec la circulation et la sécurité routière. Alors on va commencer d'abord par le président du Conseil national de la jeunesse. Inda Nasir Bodemono, Nasir Bode sang jeune volontaire no, Nasir Bode nge no gongo te sanga fondra rasoje kanyan tunenge bonse, gine nge onge gila bo ga kasinai. Nasir Bode matne go matgaham bani samay ça va bien ça va alhamdulillah inde major sami mon major sami wa iba bane ga ce émission go ba amma ibe ka ga ma ce sir ma mata no bubukar mamudu bubukar mamudu mata ga mal bora alhamdulillah je suis aussi avec euh, une volontaire yan ga ay wo man ngi ma ni ma ce sir wala ay ma yo ramtulai bako

da sentiro da to wakan kai bon warade kiti mm. burkul kan si nyamai mm. burkul kan si bafone nyamai zani ka nyamai hmm. ni bai kan barmente zama eh, ba manti taxi ranon furo oh. ba particular motar ranon furo hmm. sani sintina din gori jan din man sentir da ganin sai nimna sentir hmm. yin kanta ni gila sabu ni di kan din furo interior surtout parce que interior bore goy di popor bi nyame me zama interior commerce ni tera ka bu ka bu ze gonongo kul nyama hinuno sinda na famola ni gila sabu ni di kan kas ago bore bon ya donc ba tangamo aman ban asi banson burgini alhamdulillah zama wo kirim ka bay danga ba bor kaske da yangodin afaba mm. to gomini bambata no mm. na fam wala nasir bodo <laughs> fonde rano arango arango nu komba mene irdi er aran labo kurdi aran irdi er ko karoka aran kande labuze se nafaka karan kande labuze se parce que kunda aran bora ya margana am dango aran ko kar bora de no to il faut constat fo no di aran gidi di godi alhaloga to wallahi sintinai dai mm. consta mm. alhamdulillah ma président president alhamdulillah parce mm. que de gir banda avant que il me mesure au sambu be kul dans le casque taxi moto privé commerce ou non be kul dans dan ceinture de sécurité mais iro krener euh, fatien à mhm. asuba déjà fondé bon mon bato Gomnati, mo avant que gouvernement mesure au sambo déjà fonday mo irgodi boray godan sentir hmm, pipa mona gobisa ça veut dire quoi ça veut dire que samino gobisa ça veut dire que alhamdulillah hmm. ir sanno kan ir fattaga tonandi hmm. la isay do moto koye sentir de sécurité ma ir sanno go goyda donc iron kuna alhamdulillah nirgini matkan ci de bor fallanno ya marodin fa ba sentir wal kask labu senni no bora kunna fa bora kunna ga na fa nasir bodo ne gina me al bora mo musalam ba de kain fo parce que dirne bilan en nan après i bay de kan de kan yante mara yangate e mara yan buba mu an kango kanda bore bongai do no masala gote ton ai baba irmi he banda jir fo banda irma ha son jir fo ne ya fati din mat kinano traumatisme wa azabu haran wala man zam est ce que mesure one wa akande na fala man kan na fa zam kon sar ne no ga taran kan go bore safar yanno jiri fo bande kason mm azabu yanno mm zam jiri fo bande kason danga mat kan bore na kidano motera wala mote kan bore furo taxi era mm. bor furo bor kuno sa sentiuda -hmm amma songo bora kunu zan furo matkin kida ignen mi sentiyo mhm. particulier bora kulgo ngai sentiyo na Eh, porporkoye mhm. igo kaske dan mhm, mhm. na fam kaske bora bayan kulgo gidan ya dinga dini kaske dan din ko ha urgence na kan din bora sambi konda ignen se kan mara yangai damte da gumo gibisi jiri banda wane kini amma kaske do hare aga cin gumo dan ba sun wuri godi bore jeni yan kan popore bore gono bobo kan yan porpore sambu is kasko dan aga donc nodine aga cin di ko sanga santiro a mm. kubai amma kaskuro a hansig bagumu alhamdulillah mm. nuwo constat fo nono no godi parce que halga kason son irga bayde kan jeune yon gono kan kasko go jine i gisi arango fonda ba arango go diye arango ma arango di di police watani chani parce que samugo dan kochop son arango kan go fonde bon constat fo no arante parce que nim bodan go jeune volontaire ya dino mm. constat dai kan di mm. danga di ye gir fo banda constat par rapport à maintenant, donc c'est vrai que j'en ai, par rapport à la ceinture de sécurité, il me semble pourcentage, mm. 100%, ou 90% ceinture de sécurité à marcher à marché, ça. hayo casque wana mm. kasko wana ba son aga cindi zam mm. jone en kuni ga san serari ni mnenin popor dai mm. nima dasi kask mm. ifo ga jasi nima zambar taki nimin binawi ga zambar taki dai mm. ga dan kask hannu mm. bisa in a ni ba zambar zongudan safarara ah. a lokacin da zambar ta kidai anin wa wadiyan kulu iman ne amma a ginwa dai accident ilala mm. a ginwa da wadi Cette loi a beaucoup fait jaser en son temps, surtout au niveau des jeunes. De nombreux jeunes continuent d'ailleurs de braver cette euh, loi sur le port du casque à moto et de la ceinture de sécurité. On le voit souvent en ville en tant que jeune de la FADA. Alors comment euh, vous discutez de tout ça quand vous êtes euh, en groupe Vous continuez de protester ou bien vous faites deuxièmement, c'est-à-dire en FADA, étant à la FADA Est-ce que vous continuez toujours à discuter de cela Parce qu'on constate que des jeunes ne le porte pas toujours. Bon, vous savez, eh, aujourd'hui, entre nous-mêmes président on, mm. se sensibilise. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et nous qui sommes du domaine, on sait que les accidents le plus souvent surviennent eh, après 5 km de notre lieu mm-hmm. de départ. Donc c'est pourquoi il ne faut pas penser que je ne vais pas loin euh, je peux ne pas porter le casque. Mhm. C'est extrêmement dangereux, il faut qu'on se le dise. Mhm. que le plus souvent, vous allez voir la personne a mhm. juste quitté la FADA, une minute après, il fait un accident. Deux minutes après, il fait un accident. En tout cas, dans les premiers 5 km, les accidents surviennent dans cette euh, période. Donc c'est pourquoi... Euh, dans les FADA, les gens, beaucoup comprennent aujourd'hui la nécessité. Tout comme la façon de réprimer et, et, fustiger. Aujourd'hui, le comportement de beaucoup de policiers n'est pas exemplaire. Mhm. La façon dont ils pourchassent mhm. ces jeunes mhm. euh, crée même plus de désordre que l'ordre qui, qui est escompté. Et donc, il faut que nous continuions, nous qui sommes les acteurs de la sécurité routière, nous qui sommes leader de la jeunesse, qui nous donnait aussi le bon exemple. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que nous, nous venions sur votre plateau dire à la jeunesse, c'est important de porter le casque, c'est important de porter la ceinture et ne pas le faire. Mhm. Donc il va falloir que nous-mêmes nous soyons des modèles, que les autorités soient des modèles. Lorsqu'on va voir un ministre, un député, en tout cas une autorité, notamment euh, militaire, dans un véhicule, il faut qu'on sente que cette loi, elle est respectée. Nasir Wodo, de trois ans, Mhm. vous qui évoluez dans la sensibilisation des usagers de la route, mhm. dans la prise en charge des accidents, mhm. comment les usagers reçoivent-ils vos avis et conseils Vous vous y prenez comment Dites-moi, et pour expliquer afin qu'ils comprennent bien la question du port du casque de sécurité. Parce que Ok, bon. <clears throat> Dans un premier temps, nous, quand on a décidé d'organiser, la mhm. première activité, c'était au rond-point ENA. Mhm. Et vraiment, nous étions agréablement surpris mhm. par le réflexe et le comportement de la majorité de nos concitoyens. C'est-à-dire, ils étaient vraiment accueillants. C'est vrai, au début, avec les gilets qui nous distinguaient, ils ont pensé que c'était les autorités qui venaient pour les contraventions et consorts. Mais quand on avait expliqué, je vous assure que même les gens, les conducteurs des Fab Fab qu'on pensait ne pas être lettrés ou quelque chose comme ça, ils nous ont bien accueillis. Mhm. Eh, parce qu'ils sont en contact direct avec les victimes de la, de la route, comme on dit. L'accident, les accidents de la circulation n'est pas une fatalité. C'est ça le concept. Alors, est-ce que ce n'est qu'un parce que quand y des problèmes, accident, dine ceinture de sécurité no parce que borama ceinture don bora projectile nagte à 50 km déjà président ne se bora zotti fatano donc du coup est-ce que arango sanne karango tonan borga est-ce qu'il go goida est-ce qu'il hangana ranse est-ce que sidika ya fond des bay sen no karango sala fundi bay sen ni no ngono ka ngi na kidano no be hmm. motu ko do harir ne ceinture de sécurité yo ga dangumo amma zan kai porporado harai aga hmm. cindirse hmm. zan borbo bugon kan ba so yigi de yigi farta porpor bon isi nge kaskeda mm. ya dinga no hare sami gu cindi sabri ka hay kulkan yi se mm. hay kulki fo gi ci asgen ji boryan wo iman yadda go fata mm. ya dinga no hare go gu cindi irse me aran kan tilok tore baba mm. est ce aran go sam fond yan de fond yan ga famandi bore se kan din kan din bongo din, din bongo karganda aga tuni se ba fundi chine oh, parce que darno bore hamburandi oh bore hamburandi o det dango occasion wena chine mm. wat kulkan aka rajera

nimbu musko ga zam kan boda ke ra ga dobu ce ga dobu amma bo da bon kan ce kan be wodi ce ga dobu mm. amma bon woda bo da bu kul hal fogti wora lebu a da bu kul da bu gunguro dai no dugu gunguro kan ga bogu mo tera sora la da su mele to yan tala ko ngi ah. ko demira les yegi yegi hamburani ko ne baba <laughs> yegi hamburani ba su bara mir hamburani oh, parce que dum tir hamburani ɗumen tir hamburno har siti aɓa yinmo aran kanti un ɓe il faut te mm. bon bon nafa aranda aranga nga ayana ga jeune walla mm. sami bore se mm. mission salam bon kan jeune volontaire son est ce que banda masalan masal fodumano arandu wallahi sensibilisation ayo za irkurara ayin sintin mm. za yi famiyora ayin sintin za windora za windora ayin sintin fuwara ni sintin ne ni kai ne din bere sai u kasko zai da kulai niki pat pat eh, son ka irko ga hangan police mo se irma ngi mo ifo da na gane kasko nganda ceinture de sécurité bon ir ngan police se irmi yagi yagi ka c'est un constat que nous faisons chaque jour que la ceinture de sécurité est quand même portée par les usagers Bien sûr, il y a des fois, il y a des ratés, quelques ratés, des oublis, mais vraiment dans l'ensemble, le constat est satisfaisant pour le port de la ceinture de sécurité. Maintenant, pour le, port des casques, malheureusement, je vous le dis, le casque est quand même porté mais il reste beaucoup à faire. Nous, nous faisons euh, de notre mieux. Nous contrôlons, nous interpellons, mais comme je l'ai dit, vraiment, euh, vraiment, ose circuler sans casque à le risque et péril. Parce qu'on ne porte pas le casque pour la police, on ne porte pas le casque pour le maire euh, qui, a, demandé, qui a attiré l'attention des usagers sur l'intérêt du port de casque. C'est pour soi-même. to police kentiro en bora kulno gogada kasko mo ane halga kason agcindi to president mangano talogo il faut deno goga tafar il faut seno bora go sentiro dang matkan soja ni chida mais kasko da agote problem jene mo deno go kanda yakul zam jeno ni gidi a kasko samba ma dang poporaji na go koy to jirfo banda il faut deno jene go ba president to eh il faut deno ri marmti ay je ne wani masala bon mm.

waad kulkan jin ato nan kan tele kulkan ni feri mm. ni sama kal wadan kask dimman nan kask ya nak tani mm-hmm. madan kask dimman da ya nak sanne kurra mm. warai sannera mm. warai barmai deno wallahi ne fam donc wadin am chamo kan police di gendarme igo fondera habu ka habu e girbe kan e eh, maire fatkine warai kaskidan borek sanje man bore man ne kala ste ne no eh, girbin gire ne gana imante kala handu foka nyame fonde me ame boygo bore ate bore se donné. Donnez. Donnez. donné, Donnez. Donnez. Donnez. ni bora Donnez. Donnez. Donnez. Donnez. Donnez. Donnez. Donnez. Donnez. Donnez. salon Donnez. Donnez. ni Donnez. kacha bodo hmm. chinse hmm. on est jeune hmm. et notre d'inspiration, c'est la musique musique nous nous proposer il après irmi ka ay ah, proposer ne c'est altesse altesse altesse une chanson pour accident de la route SOS SOS SOS SOS SOS et tout de suite la suite si tu les rates voici ta citation préférée pauvre con j'aurais bien voulu lui donner une leçon mais n'oublie pas que beaucoup basi da dari bunken ça sama abandonné de dagati si ton réalise, c'est un pied par-ci, une tête par-là et un bain de sang coulant au goudron, avec un être agonisant. Si mesquin et insouciant, tu fais ton baraté, tu sors des pièces et tu dis Prends, je pense que l'assurance couvrira mes dépenses. Mais bon sang, qu'est-ce qui nous arrive si la haine, de façon croissante, ne fait que gagner nos cœurs de jour en jour les automobilistes ne respectent pas les motocyclistes. Et les motocyclistes ne respectent pas les piétons et les cyclistes. Et de là, le massacre par accident est non limite. Gosse des riches, je n'ai rien contre ta classe, mais je tiens à ton âme qui est une richesse de finesse. Papa est plein nos as pour garantir ton avenir. Il rentre tard chaque soir après de dire la paire dans les affaires. Et toi, tu sors avec sa bagnole, avec comme compagnie le l'élixir du diable et d'ignobles gazelle que j'appelle son maître d'Iselle et aussi agent du diable. C'était donc la chanson de Altesse à l'instant sur cette émission. Altesse qui aussi a sensibilisé à travers donc cette chanson. à à Altesse. Alors la deuxième partie de votre émission Tous à la Fada, le thème du jour, le port du casque de la ceinture de sécurité. Un an après la mise en application de cette euh, mesure. Quel bilan Nous sommes avec Ali euh, Alioun coordinateur de l'ONG Fondé Mabori président du Conseil national de la jeunesse, président panafricain de la jeunesse. Nous sommes aussi avec euh, Nassir Bodo, jeune volontaire euh, de la sécurité euh, routière. Nous sommes aussi avec un tonton qui représente le SAMU sur cette émission qui répond au nom de Monsieur Boubacar. Alors nous sommes aussi avec euh, Ramatoulaye Bako aussi qui est, jeune volontaire de la sécurité routière. Yadnola. Ah, Sanino. <laughs> nous avions abordé dans le premier acte de ces échanges sur quelques impressions et ça c'est sur le thème. Et là nous abordons concrètement le bilan de un an de port de casque et de la ceinture de sécurité. Je dis concrètement quel bilan faites-vous de cette première année du port du casque et de la ceinture de sécurité Tonton Boubacar, quel bilan ferez-vous de cela Bilan en termes de chiffres, je n'ai pas mené de, chiffres, mais... Bilan donc en termes d'estimation. En termes d'estimation, on a dit que la gravité des lésions, ça a diminué par rapport aux années passées. Mmh où les gens ne, ne portaient pas de, casque. Mhm. On, voit comment nous trouvons les gens sur euh, les lieux d'accident mhm. qui n'ont pas de, casque. Donc ça, ça, ça, a beaucoup diminué. Son borwoi bon. Mhm. Borwoi bon. Quand un camp bon, quand il candé. ont une, une, une, une mesure au sambo casson. bon. bore bor mar kina no gon kan bor we bon dangde la sab gairi hingine bori du wala bori ya kine mm. kunu kasko goiga kasko goiga mm. kasko gogi halasi gogi halasi o amma mm. wati dindi sam bor bon eh wati dindi sam bor woy bon ag sendinim du bor gucine ag sendinim du bor gucine kan kan kasko goaga ndi wala ya denga mm. sandi gono sendigono sendigono yan ga ah, sikki dirko kasko da yango agogir nafa agogir nafa matkin da da kini bore ma dan agogir nafa agogir nafa amma irim sa irim sa farga dikki yango yegi so yegi hamburan dai baba <laughs> yegi yegi hamburan ko <laughs> ne miso ai nan sai bor taxi dan bor oh. sin kask oh. bor bongo no go bogu bor ga lebu no ni segi te bor bor bongo bogu mo sen sino bon su bon su keno <laughs> kambo keno ti kambo bon su <laughs> docteur sala sami borano go sala go sala police maga ti soje maga maga docteur maga zam din funga kanino mm. Quel bilan en termes d'estimation, mm ceinture au porté en wadin même danga c'est même réussi mhm. ati casco no casque mhm. danga peut-être sur les 100% on est arrivé à peut-être 80% euh, mhm. donc 10% irmi kokari aga cindinga mo ay parce que peut-être sanction sino hmm. parce que on kundar di ceinture de sécurité borg ba kan 10000 no borg bana hmm. alors que casque wo e eh, boraga fo filer ga bisimi hmm. police ay mo imu du danga mat im si boraga na ayo de gudu imu day dai sanction dig hinga dano iga bora porta bora wana popora confisqué bumboda mm. ay din popora confisqué man ni ko course yante ni course yante mi imne dol kanim casque d'ay nasir bodo na mada an karam tulai ne ane ennen panta hal ka son sentiro kanga an arno arno go bon aran constate kan gadan amma ne kasko go cindi ane kasko di bore mani de imi jukki imi kat bon dine jukke am dine karen jarim sam fondu konna yan bore se no ifo no no gite bilan formano no gondanis to bilan fono no go bilan o d'abord kan na te président du conseil des villes ou disons de la délégation spéciale, à Miziro Sambu. Un mois après l'application, l'hôpital, les urgences de l'hôpital a sorti euh, ont sorti des statistiques qui ont démontré une réduction drastique des cas de traumatisme crânien liés aux accidents de la route, notamment les accidents de moto. Donc pour nous, c'est déjà ça. Et c'est à un mois, je vous dis. Donc si on peut rien qu'approximativement prendre le bilan mensuel pour l'adapter à l'année, on peut dire globalement qu'il est positif, même au niveau des casques. Ok, <laughs> sur, la, <laughs> sur la voie. Ok, président. Il est autour de il faut il y a des, des, des, des, des animaux, euh, comment est-ce qu'on appelle, tourante, quand dit kang mute mm. son jene wara wonen kan go mute kan gane go kasko nga sada kan kasko jin kan ka dadi di police ni gada wal kan kasko da kan awate en nan wo banda bilon wara il faut il faut il faut non non goti il faut sino igo resist il faut sino go wonen wote jene wo no ne e, afoyan lakal jangay de non zama lakal janga ibobu ibo ne bai imam kidi mota hasarau mm. hay kaga te borse nim nenes kesgi dan wo eh. ay milikan don kere kusmi son vou don kera zamni ke gwamnatin suna kan ni donda ni ma yarda tout simplement parce que <laughs> da ifo no akta d'amé eh. dang din sin tirno dan da mm. sira sono sin se wodde do almano sin se sin plak asin sin plak kadi bis police ga na ga bemi wala mais mm. din sin casque mm-hmm. zani go ka ga go di kan boro wa go ka ga tonyo oh, zamni ga bai ke korora oh. ine borsi wi ndi kas sin oh. ni go di police ni fatanda ni ka tanime offense no wodi je vous rappelle que vous pouvez aussi participer à notre émission en y laissant vos commentaires c'est simple il suffit juste de nous laisser vos avis au 80 06 88 54. Vous pouvez également écouter le contenu de nos émissions en envoyant jeune au 80 06 88 54. C'est simple et facile. Une pause musicale s'impose. Alors maintenant, on est La Musique kulkano ganu fon kangin Vous aimez la musique mala. bokul musique de Vous de la boano ay préfère ni wana de consommons nigérien consommons toi il faut nous proposer ça. Ah, musique falan kay mi

Ce texte demande à l'État de mettre les routes en état pour moins de dégâts. Ce texte demande des permis pour les méritants et non les possédants. Ce texte exige l'application immédiate et correcte du code de la route. Ce texte exhorte la tolérance entre conducteurs. Et pour finir, une pensée aux 2,8 personnes qui sont en train de mourir à la minute où cet texte passe. Nos condoléances les prises attristées aux familles des victimes de ces mêmes phénomènes. C'était donc une fois de plus Altesse proposée par notre très DJ. Ok, d'accord, ben, ben, voilà, quand je dis DJ, c'est elle qui a balancer la sauce à l'instant T. C'était une proposition de Ramatou Bako. Voilà. Alors, c'était donc euh, la musique euh, et on va cette fois-ci entamer la troisième et dernière partie. Le port du casque de la ceinture de sécurité un an après la mise en application de la loi. Quel bilan c'est de cela qu'il s'agit Parlons cette fois-ci des perspectives avec nos invités qui sont avec nous. Parlons donc encore des efforts à faire et des suggestions à apporter pour un meilleur respect de la loi sur le port du casque et de la ceinture de sécurité. Quels sont vos prochains combats pour contribuer davantage à faire accepter euh, ces mesures sur le port donc, du casque et de la ceinture de sécurité aux usagers de la route, Monsieur le Président nos prochaines mesures. Mm. Vous savez, nous, on n'a que des suggestions à faire, mm-hmm. on n'a que des sensibilisations à faire. Mm. Les mesures reviennent aux autorités mm-hmm. compétentes mm-hmm. et nous pourrons euh, mener des plaidoyers pour que, au niveau du ministère de l'Intérieur, que des instructions fermes soient données euh, aux différentes régions, aux gouverneurs, pour que

fanda sambu yongo si kala gwamnati ramatoulay déjà émission org baga son ramatoulay en tant que jeune volontaire quel message avez-vous à lancer à tes sœurs à tes frères dis-moi qui continuent encore à circuler sans casque ou sans ceinture de sécurité j'ai un message euh, fais-moi fais-moi donne-moi la chair des poules <laughs> euh, il faut envie de porter le casque euh, I tu as envie de réaliser beaucoup de choses. Mhm le jeune, il est ambitieux. Et la santé n'a pas de prix aussi, c'est vrai, mais il est eh, ni no ginbondang, maintenant c'est comment on appelle ça, ni no ga gahamba no tchétchen bonsi. On connaît une popodai mahaywa de gisi. Dingban rêve, tu veux les réaliser, la moindre des choses, il faut rester en bonne santé. Et vivant. Sans la santé, tu peux rien réaliser dans la mm. vie. Nous sommes le président. Nous sommes en Hantoumams comme le président.

inga mo urse inga sanni bananta irum irum aram wada ay ay mo wada ara irum fada sai fada mu sai an kan ne borom ga han banu se mhm. ya nga man hima borom yake ga ga bom mhm. Olivier est dans la place, il a du lourd pour nous sûrement en termes d'infos jeunes. Nous lui souhaitons la bienvenue une fois de plus cette émission et nous lui laissons la place quelques instants et tout de suite la suite place à la chronique d'Olivier. Bonsoir à tous, c'est la fin du mois. Nous revenons sur les faits ayant marqué l'actualité de ce mois d'octobre. Et oui, vous êtes dans la chronique d'Olivier. D'abord, quand on nous parle du mois d'octobre, c'est une couleur qui nous vient à l'idée. Sans doute, vous l'avez deviné, c'est la couleur rose. Au Niger, Octobre Rose a été marqué par des séances de sensibilisation et de prise en charge du cancer. Notez ceci, le cancer est en passe de devenir le premier facteur de mortalité au niveau mondial. Plus de 70% des décès sont dus au cancer dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen comme le Niger sur les échangeurs, vous auriez sûrement remarqué les marches des pasteurs de certains échangeurs de la ville de Niamey ont été peintes. Une initiative qui rend belle la ville de Niamey. Cette activité a marqué, bien sûr, notre attention au studio Kanango La journée de la jeune fille, c'était le 11 octobre. On célébrait cette journée sous le thème Les filles, une force libre et inarrêtable. C'est le thème retenu ici au Niger. Pour la célébration de la journée internationale de la jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Nana Fida Daoussi Tanimoun du CSP de nos jours de la rive droite a incarné le rôle du médiateur de la République. Un programme a été initié par Plan International Niger qui est Girl Tech Over, les filles au commandes. Et grâce à ce programme, j'ai eu à représenter Monsieur le médiateur de la République. Voilà, c'était dans le but de proposer des solutions à la fermeture des écoles pour cause d'insécurité dans la région de Tilaberi. Sûrement, vous avez écouté ce message vocal qui circule sur les réseaux sociaux sur un prétendu enlèvement d'enfants albinos dans la région de Zinder. Bah, ce soir, je vous dis, c'est un bad buzz. C'est-à-dire, c'est une information qui n'est pas vraie. Contacté par le studio Kalango, Kadidia tumomoni président de l'Association nationale des albinos du Niger, répond. Le centre qui se trouve à Zander où on a amené les deux enfants, c'est le directeur même qui gérait le centre qui m'a appelé pour m'expliquer. C'est vrai que l'affaire circulait sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un problème de communication entre les deux parents. Voilà, c'était juste un problème de communication, pas d'enlèvement d'albinos. On finit cette chronique avec ce mot de sport. Le Niger est qualifié au Chan, le championnat d'Afrique des nations de football devant la Côte d'Ivoire à Abidjan. Bonne chance au menat national et surtout, Ramenez-nous la coupe à la maison. Bye bye. Tous à la fada, votre émission s'achève à l'instant. La thématique du jour était très très très très intéressante à partager avec nos invités. Merci donc aux auditeurs des 41 radios partenaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. bonago gaga, neno wassalam. Ei!